amen, amen.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 feu El Hadji Bouna Niang ONG Mandimbo PUDC site d'information Bidi Dakar Actu Radio NYANI FM ak conseil départemental bu Pentum ci M. monsieur Oumar Sy ñuy séntu ci festival bi lu jege fukki visiteur ñu wara a ko Ñaani Wulli Jolof Tambacounda Gambie Congo Brazzaville ci gàttal ci sous-région bi yépp 5e édition du festival Pentum Nyani. 9 activités culturelles dana fa am ethnie à l'honneur léppal xew-xew Bangok événement Bangok Adjuman ñaar fukki fan ak ñaar samedi ñaar fukki fan ak ak dimanche juróom-ñeent ci weeru décembre 2019 ci Koumpentoum ga ca Tambacounda médicament ne doit pas être gratuit. Voilà. La santé. C'est pas ça ne doit pas être gratuit, mais c'est parce que je pense que. La gratuité est dangereuse. Hein?

Pour cette année, euh, l'objectif euh, de l'ONG Mandimo, c'est effectivement d'appuyer encore le conseil départemental de Coupentum euh, pour la journée de consultation. Cette année, ça a été élargi. L'année dernière, c'était les personnes âgées. Cette année, nous l'avons élargi aux femmes et aux enfants. Mais surtout, euh, l'objectif principal est orienté vers le dépistage des affections chroniques. Donc pour les femmes, nous avons voulu cette année insister sur le dépistage du cancer du col, comme vous le savez, qui constitue en soi une actualité et un fléau qui atteint nos femmes. Pour les personnes âgées, c'est toujours les affections chroniques comme le diabète et l'hypertension. Et pour les enfants, surtout le dépistage donc des affections chroniques comme la drépanocytose ou l'asthme. Et donc dans toutes euh, ces euh, consultations, nous avons euh, amené des spécialistes dans ce sens pour insister d'abord sur l'importance du dépistage. Et ensuite, nous avons, j'allais oublier aussi, ajouté le programme national de lutte contre la tuberculose, dont le stand est derrière nous qui va assurer également le dépistage de la tuberculose. Et donc ça est une première euh, dans le cadre de ces consultations. Donc pour toutes ces affections, comme je disais, euh, nous allons insister sur l'importance donc de ce dépistage pour faire une prévention et éviter déjà toutes les complications possibles pour ces personnes qui ont euh, difficilement accès à des soins de santé et surtout à des soins de spécialistes. Par rapport à, aux objectifs de l'ONG globalement, c'est des objectifs comme je dis qui sont orientés vers la santé de la mère et de l'enfant. Euh, globalement, dans tout le pays, nous avons ciblé les zones ou les districts où il y a le plus de pauvreté et euh, en suivant un peu les orientations qui ont été données par euh, le ministère de la Santé. Mais euh, dans le cadre de la mise en œuvre, nous insistons comme porte d'entrée d'avoir des, groupements de femmes comme porte d'entrée. Ces femmes, nous travaillons pour les renforcer en capacité à travers une alphabétisation fonctionnelle qui leur permet d'avoir les mêmes capacités que les agents de santé communautaire et donc de servir de relais aux autres femmes. Et donc c'est orienté surtout sur la prise en charge donc, de, ces femmes et des enfants pour relever les indicateurs de santé qui globalement sont mauvais pour euh, la plupart de ces districts que nous avons ciblés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 kilifa El Hadji Bouna Niang ONG Mandimbo